nous parlons du baccalauréat, Ami de la FADA, à l'issue des examens du bac 2021. Les heureux candidats qui ont obtenu le précieux examen doivent s'attaquer désormais à la poursuite des études supérieures. Pour rappel, on le précise, au Niger, nous avons trois types de bac. Le bac de l'enseignement général, A, C, 2, E. Le bac des techniciens, F et G. Et enfin, le bac professionnel avec ses huit spécialités. Donc, cikin 'yan magudi-magudin da suka yi abin da ya ba daɗi an kama su kuma yanzu suna maka su muna tuna da su muna musu hatan alheri muna musu hatan su samu sauƙin wannan jarabawa da suke cikin tattalin ita ma kuma wata sabuwar jaraba ce hallo suka runguma yanzu muna so mu sani cikin wannan shirin namu wa'annan ɗaliban ya ne suka shirya ma wannan abin da ke jiran su manya-manyan makarantu da manya-manyan jami'o'i za su buɗa musu ƙohohi yanzu ya ne suka shirya mishi sun san inda za su sun san yadda za su yi Comment compte-t-il euh, poursuivre cette aventure La prochaine étape, à quoi ils pensent Ont-ils des plans pour le futur On en parle aujourd'hui à la FADA installée au SIPMEN, yau sipmen ita ta buɗa mana ina jin sipmen da mine ne centre euh, d'incubation des mm. petites et moyennes entreprises ok to kenan ne ake kula da sabu sabon ci un businessman ko on suke su eh, yi business din su wanda za su yi kasuwancin su nan ne ake taimaka musu ana gogara musu abubuwan da ya kamata su yi aujourd'hui on parle de l'aventure post bac avec Rafia Jubo nouvelle bachelière bac littéraire ça va oui ça va peut-être qu'on a une future euh, collègue là ou RFI, peut-être qu'on va se retrouver là-bas, qui sait Bien. Ça va, tu vas bien Oui, je vais bien. Elle est tellement contente, t'as eu le sourire là, non nous sommes avec Aminu Laoli, le, président de l'association des étudiants nigériens au Maroc. Ça va Ça va, alhamdoulilah. Y'a que la dame Allah, la dame. Sois le bienvenu sur tout ça, la fada. Merci beaucoup. l'expérience qu'il y a de conseils qu'il y Nous sommes avec Salam Habibou. Lui, il a son bac Bonjour, ça va, ça va, en poche. ça va très bien. Tu vas bien Je vais très bien. C'est comment Ça s'est bien passé, merci. C'est bon là, ça va, le stress, est retombé. Tranquille. T'as fait la fête encore ou pas encore Pas encore. Ok. <laughs> n'oublie pas de nous inviter, hein. Nous sommes avec Idrissa Laoli de Karatou Postbac. Karatou Postbac, je crois qu'Idrissa, vous êtes dans l'accompagnement, dans le conseil des nouveaux bacheliers, c'est ça Oui, exactement. On accompagne, on amène les informations qu'il faut aux jeunes pour mhm. se projeter, mais surtout casser les barrières d'autocensure et les aider en fait à aller beaucoup plus loin que ceux qui pensent en, fonction de leur environnement. Ok wannan kuna taimaka musu duk wannan muna gwada musu da hanyoyin da ya kamata super alors Boulkassoum euh, Mohamed lui il a eu son bac D aussi en hein, poche ça va bien es tout content là ah je suis, très content oh là sois le bienvenu sur tout ça la fada alors nous sommes avec Bin Benito. Lui, il est étudiant en sciences de gestion. Il nous accompagne sur la FADA. Ça va Oui, ça va. Tu vas bien Oui, je vais bien, merci. Super. Enfin, Abdelkader Goubekoy. Lui, il est étudiant en génie civil. Ça va, Abdelkader Ça va bien. Ça tu vas bien, Ça va. Il y a vacances. Andao. Il y a Ando, ate de D'accord, soyez les bienvenus sur tout ça. La fada également, amana mana fada. An ah, kuka sani wannan shirin muna tahe da ƴan komatsan kuma cikin su akwai ƴan kada kada mu da chronique de Olivier ke shirya mana da rubrique din Dondi ke sarfa mana a kowane sati. Olivier, yeah, ravi ça va? Tu vois, ça va ya kake da dama? Je sais pas manqué sur la fada. Ah, tu m'as manqué wallahi, ouais, ça fait un moment là. Ouais, je suis là pour toi ce soir. Tu vois non, aujourd'hui on est bien entouré là. Ouais, mais C'est la réussite qui nous entoure même. Avec des gens qui ont vraiment réussi. Tu as vu, bac, non Donc on leur souhaite du bon courage et tout. Ouais, ouais, pour la suite. Alors, on a quoi au menu Eh bien, écoute, moi, je vais aller un peu à contresens. C'est-à-dire, ce soir, je vais parler de ceux et celles qui ont été refusés au bac. Ok. L'échec, hein. On va hein. avoir une pensée pour eux, hein. non, les gars Ouais, ouais, ouais. Justement, on a une grosse pensée pour eux. Ça sera dans la partie chronique. Ok. Big up. à tout de suite. Merci bien mashuraren mukun day dai gane dai yau shirin namu da zamu yi tare da ɗaliban makaranta wanda suka samu da ake bak bakaloriya sun samu sun huce da su da waɗanda su ma suka daɗe hallo su deja sun shiga cikin ma jami'o'i ba sa karatu a nan duka dai an zo an tattaru ana so a san dai ya ne za a wannan yaran wannan ƙanan namu da suka samu wata hanya ce kamata su bi et qu'est-ce qu'ils doivent faire comment ils doivent s'y prendre pour passer ce cap également tambaya ta ta horko da muku ça y est, le bac. Vous l'avez eu. On va parler du sentiment maintenant. Ne serait-ce que brièvement, comment tu te sens Je viens à notre Miss, la seule Miss qu'on a sur l'émission aujourd'hui, Rafia. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir eu ton bac oh, je me sens bien, puisque je sais que j'ai étudié pour l'avoir. <laughs> Ah ouais, tu sens soulagée, hein Oui, ça n'a pas été du hasard. c'est vrai que la chance existe. Ouais. Mais quand même, on a lutté. Donc, voilà. <laughs> Oui. Bah, <laughs> on a fait au moins 10 mois d'école. <laughs> Ça n'a pas été facile. Mais quand même, maintenant, on est bien. On a eu le bac. On, passe à la prochaine étape. Oui, D'accord. <laughs> Le bac cette année, c'était plutôt euh, mouvementé. Il y avait plein de nouveaux trucs. C'était un nouveau feeling. Il y avait des inscriptions en ligne et tout le tralala. Je viens vers toi, euh... Idrissa. to da bak hatu post back je crois que kana iya gaya mu ma ya ne kin bana ya kaga shirye-shiryen kin bana da aka yi shi a kin wani ya ka gane shi to shi bakin bana da farin ya ba mu tsoro tun da an kawo abubuwa da yawa da ke sabi ga yara Mm. da wani inscription a linya da mutane ba su saba shi mun ji tsoro da wanda ke cikin karkara ya za su zuwa su su samu su da ba su ba su saba da internet ba ya za su zuwa su samu na'ura haka ha kenan abin ya ba mu tsoro da harin amma daga baya mun ga abin da ya zo dai da muhimmanci tunda mutane dai an ce dai eh, kowa ya samu ya rubuta kanshi bisa sitkin da suka yi kiraye abin kuma ya zo dai da sauki tunda yau da yara sun kare wasu sun ji daɗi wasu ba su ji daɗi mais gaba ɗaya dai on va dire dai ça va l'organisation a été plutôt bien dans l'ensemble et aussi euh, des choses qui faisaient peur avant la corruption wanene an gani yau an hiddo mutane ça là maintenant maintenant ça s'est éclairci au fait c'est ça kenan mutane wasu suna jin daɗi ma tun da dace ai dan wani da wani ke samun ba amma bana an gani har da dan wani da wani ba samu ba kun ba ai komi ba in kai karatu ka samu ka samu haka ne kuma lo sai da ka tarbi ka ba haka ne to yanzu ina so in sani in zo wajen ka kai aminu lawali eh. bisa kan tahiyar wannan bakin da aka yi kai ma ina so in san ya kaga wannan tahiyar da aka yi ta bana gaskiya ni inda na gani tsarin gaskiya ya haɗu paske irin cikin wanga zamanin muke na digitalization yanzu komi a bisa internet ake yin shi abun ya zo da sauƙi mutane sun samu sun yi inscription kansu a bisa platform didiyakin na su samu su tashi ka ba wani sai ka shiga cikin wani va avian ba sai ka tahi ka kawo fish ka yi ramfir bai yi ba gaskiya wannan ya yi sauki kuma ga wani resulta an hana mutane kama an gyara musu mutane bai kai wasu sun ta yi wani stress kun zo kuna kwance kuna shan resulta duk wanga an hana yanzu ka sa nimeron ka da tabul ne ka gani ka samu ko baka samu ba mun yi ta gani a statue ai shine <laughs> <laughs> amma dai gaskiya da lambobin ka an yi ta afishe gaskiya <laughs> amma dai yana hana mu da wasu suma da wasu kuka ga sunan dai mutane sai a hankali ko gida da kit suke samu su kai gaskiya mu mun gani abu gaskiya ya gyaru ya ya hadu da abun da suka yi gaskiya sai bon to ai wannan tambaya kuma ai dole ma ku ɗaliban kai wa c'était comment pour toi au fait tout ce processus ça s'est bien passé pour toi ça s'est bien passé vraiment j'ai mm. vraiment apprécié l'effort. Oui, mm-hmm. J'ai vraiment apprécié l'effort de la Halsia aussi qui s'est investi vraiment pour un bac propre et sans, corruption comme les années précédentes. Mm-hmm, mm-hmm. Et aussi, je tiens à remercier également mes professeurs et mon établissement scolaire, bien sûr. c'est l'un des meilleurs établissements du Niami. Ah, lui, il est, content de son, de école, hein. Ah ouais, ok. <laughs> Quel est ka je suis parce qu'il n'y a pas qu'un. Il n'y a pas qu'un, en tout cas. Super. Maintenant, je reviens vers toi, Boulkasm. Après l'obtention du bac, qu'est-ce que tu vois Comment, qu'est-ce, quest que tu vises maintenant Il y a des opportunités qui s'offrent à toi. Comment ça se passe pour toi Les opportunités, je crois qu'on les crée. On crée les opportunités. Ok. Genre, maintenant, après le bac, il faut chercher vraiment les groupes. Il y a aussi tout Post-Bac aussi. -hmm. pas, il faut s'inscrire là-bas et puis avoir aussi une aide sur la filière dont on veut être euh, La Filière qui voilà. En tout cas, <laughs> ah oui, c'est maintenant que ça commence. Ça commence, ça Oui, je voudrais faire euh, la sécurité informatique. Sécurité informatique quoi oui. En tout cas, je que tu veux continuer à, à suivre les conférences on a déjà commencé euh, déjà au Mariama et aussi ici à, à EDU, tout ça. Donc il y, y, a ça vraiment. Donc il faut vraiment s'y mettre si on veut vraiment réussir ouais, dans ouais. une filière. Voilà. Ok. Et toi, Miss, à quoi tu penses Kina tanana abin da ke so ki ko har yanzu baki sani ba tukuna ta har ah. yanzu dai ina ina ta nema kina lissafi dai ki gani <laughs> eh. abun da ya kamata da ganga nema na zo nan ga et je vais m'informer. Oui, je vais avoir plus de renseignements sur les hmm. filières. Voir un peu plus clair. Oui. Je reviens vers vous, leur aîné, parce que aventure qui coup déjà à Yanzo, vous voyez bien, il y en a pour qui c'est clair, ils veulent être des sécurité, on police de l'informatique. <laughs> Il y en a pour qui c'est pas trop clair. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire? Muku ke kwatanta musu, wata shawara kuke iya basu bisa wannan zaben da ya qui va déterminer beaucoup vraiment toute ta vie au fait. Qu'est-ce que vous allez si, leur conseiller Si le saïd, si tanda. Abdelkader. C'est pas un choix facile. Ouais. Rayo su ce na gaba da rayo garin su ne ya kamata su yi lissayi yanzu su diba abin da suke iya yi abin da garin su yake so da su wani menene da menene duka dai su sa su samu dan su zabe na abin da ke birge su da abin da za su ma su unhwani eh. voila donc bisa kan wannan ne kai ka gani ya kamata a ce mutum yayi mise si faut pas perdre de vue cet aspect ok d'accord to kun jire ku kina sa rien d'aller étudier euh, <laughs> la vie sur Mars <laughs> si on cherche de quoi se nourrir <laughs> ici on n'a même pas fini avec la Terre on va observer une petite pause M. suis suis un don rubrique rubrique rubrique intachi, l'artiste hira et on se retrouve juste après euh, l'artiste s'exprime reçoit en ce samedi trois humoristes ils font la fierté du quartier Goudel. Ces jeunes ont de la l'avenir. Cette formation va, sans nul doute, représenter le Niger dans les jours à venir, hors de nos frontières. Ils croient en ce qu'ils font, ces garçons. Ils sont jeunes et dynamiques et surtout soudés. Ils font la fierté du village. De Goudel, mesdames et messieurs, recevons la formation Tripo Les gars, comment vous allez dites-moi que vous êtes en forme. Ça va bien Ouais, ça va. Ah, je commencerai par toi. Ouais, ouais. Tout va bien Ouais, tout va bien, grâce à T'es sûr que tout va bien Ouais, ouais. À 100% <laughs> À 100% Ouais, ouais. Tu Trip Mathieu, bien sûr, ça va Ça, ça va. Tout va bien aussi Très bien. Terminator no ne mate modiji biyo kandanka <laughs> zari kware wo eh ah, si Liverpool ah. mati mono ti modiji o kanda ah juste un idem ben trip pour aller na trip pour aller na pour ma matino ça va bien toi ça va très bien quoi qu'il quoi. Il se passe bien ça va très bien alors je commencerai par toi c'est important bien évidemment on doit commencer d'abord par la présentation <clears throat> à l'état civil pour qu'on puisse ensemble euh, n'est-ce pas savoir comme on a coutume de le dire toutes les informations sur vous en ce qui concerne bien évidemment l'état civil. Je commencerai par toi. Le nom à l'état civil Je me nomme Gabon Mouni Hamidou. Gabo Mouni Hamidou. Et c'est quoi ton nom d'artiste HMD euh, La Magie. HMD La Magie. Ok, pourquoi HMD HMD, c'est l'abréviation de Hamidou. Ah, HMD. Ok, donc Hamidou La Magie. Pourquoi tu appelles La Magie La Magie, c'est Zaygou Zanka, on bon. <laughs> <laughs> Comment Mao. Moi, moi, je suis Abdul Latif. Abdul Latif Abdul Latif Haman. 2005. 2003. Abdul Latif et eh, eh, ton nom d'artiste c'est quoi Mon nom d'artiste c'est Tonton El Tifo. Tonton El Tifo euh. Ah, mon femme, Tonton El Tifo. Il faut Tonton El Tifo. Ah, parce que. Eh, ah, un tonton Tonton C'est la Garbi, un non. Non, toi, Aïma, quoi, tu Martinez. Essini Abdullah Chebou Garba. Abdullah Chebou Garba. Ok, d'accord. Nous, on m'a tonton Maï. Ah, Lai. Lai. Lai, tu t'arrives comment Philippe Mamachi. Ah, non. Ok, tire Mamachi. Il faut que tu tires Mamachi. Il faut que tu tires Mamachi. Bon, il tire Baikiri. Genre tu vois ir kine ergo drag ergo maman tu vois pas dit mais tu vois pour cela truc maman tu voilà ok il faut nous en Bon, vidéo ende hein, ya vidéo faut nous quelqu'un et recevoir semaine fans hmm. doni vidéo, na taro vidéo faut nous en bon il te c'est ya mm-hmm. il kan parce que trip pay ak maman quoi hmm. donc aro misal ga comédien de arang te arang arang dar no mm. arang ha to comédie o mat kinano arang gote te lara no arang gidan or facebook no arang gidan mat kinana ga arang gidan e gi facebook oh. eh, youtube ayo eh, insta wajen kule gi ifono te arang page da arang hewe ka arang gidan youtube sanga de tunem di arang goye matchina kinana ite gidan dan pro trip e gi tabnes gon ibo trip match misal ga facebook ko bon mm. youtube bon a kula gondo dala to so no nu famande se wat fo ken horan sintin ifo man manu aran gote ifo no kandara ifo no aran dara matinu aran te char kubay bon

Ok, d'accord. Et donc là, euh, il y a cela deux ans que vous avez commencé. Deux ans, il y a quand des misali euh, à aran voilà. Ok, Garba. Mm. Et puis mission au misali à rubrique mais voilà. Borkulu makande kambusano kango ase abinabon pour que Niger comme am ko di juna. Kwa kire ko ni na sintin da. Ah. Sanno ka gite da ai sintin Niger medi ga music ga odin kulu ma odin nge bon irin yam du ko dijina ta wodin de non kan kam san mm. ko ay jon ko ta irgo an ne se irgo irgo niger artiste ko me dengai duwore kuliya kini irgo biko im du courage im sina im continue bo im continue ite am fo ende ya ite de no ya chin ko ta On va finir avec toi. Le message de fin en ce qui concerne cette première partie. Tout d'abord, je remercie tous mes fans d'abord et après les artistes euh, nigériens. Message au nous Niger a ses Il ne Faut pas baisser les bras. ensemble, on va faire l'impossible, Inch'Allah. Ensemble, nous allons déplacer les montagnes impossible n'est pas nigérien, c'était Trip Mamachi sur la rubrique L'artiste s'exprime. Merci bien, Dandy. On revient à la FADA aujourd'hui, installé dans les locaux d'Issipman qui nous accueille aujourd'hui. On parle de l'aventure post-bac. album ga me suke nan ga tunawa yanzu wannan karatu ne suke so su yi ya ne harkokin tahiyar tasu suke tahiya da ita ya ne suke nan suna neman takardun nasu yau shi yasa muka fara wannan hira muka dora wannan fadar tare da Rafia Jubo, nouvelle bachelière. Euh, elle, elle, a eu son bac littéraire. Nous sommes avec Aminou Laoli, président de l'association des étudiants nigériens au Maroc. L'Alban Niger wanda suke karatu a Maroc shi ke jagorancinsu. Abdul Salam Habibou, lui, il a eu son bac D. Idrissa Laoli de Karatou Postbac, Boulkassou Mohamed, là ils sont bac D également, la police de, de l'informatique, <laughs> voilà, Bin euh, Bonito, étudiant en sciences de gestion, Abdelkader Goubekoy, étudiant en génie civil. Donc, zan Wanantabayer, da wannan tambayar. Inda Idrisa, kana iya gaya muna kama kai da kuke taimaka ma wannan ɗaliban makaranta su san wata hanya za su irin wani irin hanyoyi ne suke iya samu yanzu bancin waɗanda muka sani da ya genre les universités A quoi Quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux au fait da yake kun san univers da kyau da kyau. Eh, alors du coup eh, ya ke ca yanzu lokacin yanzu tun da bakkin ya kare akwai abubuwan da kahin bakin ya kamata su neme shi don a samu eh, sauƙin abin kahin bak ne kamata su nemi wani labarun abin da ke faruwa cikin ƙasar labarun miye ƙasar ke nema wani irin mutane ne ake so su zo su kama ma kasar ta ci gaba kahin bak ya kamata yi shi yanzu tun da abin da yanzu an kai bakin ya huce yanzu lokaci ne yanzu abubuwan da suka yi saura su ne yanzu mutum ya san dai abin da yake so ya yi abin da ke birge shi abin da kwakwalwar shi kuma ta je gare shi kamar yana da competence kin da kamata ya doka kamar shi da ce cyber security akwai abin da ya ce cyber security <laughs> ba <laughs> amma akwai masu yin shaha akwai wanda shi yana so yana yasa kan shi akwai da wahala amma dai in eh, mutum ya tashi kuma mm. yanzu opportunity kin da suka yi saura su ne masu neman burs masu neman bursosin da ke da kwai yanzu a lokacin yanzu dai da muke hira bursosin da za su towa su ne na kasashen waje kamar morocco kamar tunisia kamar algeria kamar a ah, me ake ce akwai wanda suke samun kun burs masu tahiya kamar pakistan masu ta tahiya wasu garuruwa da ke bada burs yanzu a mm. lokacin yanzu Ko su eh, turki hakan ga ko har da turki mm. turki wanda suka yi kahin baka ake yin examen kin mai wasu resulta kin har yanzu bai hito ba kenan mm. daidai lokacin bakin ya hito suke samun resulta kin su kenan duwan ga su ne opportunity kin da suke iya samu yanzu har haka mai bancin wannan wanda ke da karhin ɗauka nauyin kan shi ya ta karatu cikin wasu garuruwa akwai garuruwa da yawa da har yanzu ana yarda mutane su samu inscription kamar kana aita faranshi mm. kana aita kanada kana aita etazini in alfar ma kake so kana aita hiya in kana da karhin eh, sai shi kudin ne <laughs> yanzu inda akwai kudin su ne yanzu daga baya dai eh, ita l'étape la plus importante cikin harkokin duka kasan abin da kake so kai Connaître sa filière, connaître la filière qui va avec sa personne, ses capacités intellectuelles, connaître la filière aussi euh, qui, quand on va aller travailler, parce que travailler bah, ba kwana guda bane fa. Aiki bah, ba kwana guda bane, aiki ne za ka shekaru da shekaru, ya kamata a ce kenan ka san abin da dai ka sa kanka yi. yana da wuya. baka bari kwanakin baya muna hira da wani yake ta yau in ka cikin wasu service kana ganin mutane sun yi frustrate da yawanci don dai ba a san tun da harin ba a yi zaɓin kwarai ba ne a aikin dama yana cutata wasu ba su jin daɗin aikin kenan in suka zo wurin aikin ba san shi da kyau kuma suna takura mutane kenan ya kamata mutum dai tun yanzu ya ɗauke mai ake ta ya gane abin da yake so ya yi ya san abin da za yi don kar da gaba ya ciwo ya shi kuma. yanzu na ji duka y ya yi processus kala-kala neman takardu wane ne et tout, vraiment c'est je me dire comment tu as à quel niveau des préparatifs là tu, tu qu'est-ce que tu as fait tu as cherché tu as eu des papiers qu'est-ce que tu as fait et pour le moment je viens de récupérer récemment mes relevés de notes okay. et bon je me prépare pour déposer et eh, mes dossiers à la NAP bah, pour bah, bénéficier à la NAP hein? to ina nan ganin gyara gyara da kartuna in yi deposit a anab in mm-hmm. samu burus national in don da sun ba da wasu kriter mm. wasu kriter a akwai ƙa'idonin da ya kamata a ce ta akwai mm-hmm. ok a même temps ina so in yi filière ka nake so in yi a l'avenir mm. ina dos idée par exemple ina so in yi medicine a même temps ina so in eh, controller aérien mutane kan suke yawan ga abun jirgi jirgi jihar kuna diba lahiyar jirgi ko kayan na. a'a ko kuke ce sabka ko kai sabka <laughs> ah wanda suke ba jirgi umarni ya sabka ok eh, les gars, là vous avez des idées donc là tu t'en sors bien tu vois un peu plus clair tu as des tu as eu les renseignements qu'il te faut et tout non, pas pour le moment. Ok. D'accord. Et toi, Miss Toi, tu m'as dit que c'est même pas clair pour toi. Je n'ai pas abonné. abonné, Annie. Mais yanzu kamar cikin gyare-gyaren qui. tu en es où Bon, j'ai pris, j'ai pris le formulaire hier. J'avais pris ça hier au niveau de la NAP hmm. et pour la bourse nationale et pour la bourse d'excellence aussi. Ok. Je compte les déposer. Hmm. quand on dépose d'excellence là, ça veut dire, hey, <laughs> eh, Miss, la vie ne blague pas. Hein. Bon, je compte déposer pour l'étranger, pour la bourse d'excellence, je compte déposer pour l'étranger. Mhm. Et puis, je vais chercher aussi ici. Bon, je vais déposer mes papiers un peu partout et pour voir là où la chance va me sourire. Oui, in gani dai entreprise ita de recruter des gens pour qu'il ait moins de chômeurs au Niger puisque c'est un problème qui existe maintenant. Donc, il faut créer des entreprises. Oui, pour pouvoir, pour permettre à tout le monde d'avoir, pas tout, mais pour pouvoir permettre aux jeunes de ne pas être <laughs> des chômeurs. je vous dis, les gars, on lui applaudit à cette fille. nana, on lui applaudit. Elle n'a même pas d'abord eu son boulot, qu'elle pense à donner du boulot à tout le monde ici. Ah, mais c'est chic, hein? Hey, et toi? Tu en es où? Comment ça se passe? On ça va très bien. Euh, moi, de, de mon côté, bon, j'ai pris les, le de l'ANAB. Mhm. et puis maintenant il y a aussi, c'est vrai, aussi la bourse d'excellence comme elle vient de le dire aussi, la bourse nationale mhm. aussi. Donc euh, <laughs> tout ça, on est en train de, en cours quoi, en cours là-dessus vraiment. Et puis, vraiment, on ne veut pas vraiment que ça, ça vienne en retard. Quoi. Il faut vraiment qu'on fasse vite aussi. Mm. Exactement. Les courses, tout ça, aller par-ci, aller par-là, savoir euh, qu'est-ce qui est mieux pour nous en plus. parce qu'il ne faut pas faire un mauvais choix. Mm. Et tu as pensé aussi à la tenue de la police euh? ah. <laughs> Ah, Mais sinon, j'ai pensé, à, la, tenue de l'informaticien en fait. Mais je vais <laughs> chercher ça quand même. D'accord. <laughs> Ben, vous nous suivez, kuna bin musu da kafa tare da wannan ɗaliban yau muna nan muna hira bisa kan wannan sabon rayuwar ta bude musu kofofin manya-manya makarantu, kofofin jami'o'i za su buɗe musu yanzu da suka samu bakakin su. Kan mu ci gaba da wannan hira za mu ta mu dan shakata kaɗan. <clears throat> Wata muke iya sawa, on peut pas la mettre ici parce qu'on est un peu coincé par le temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique pour vous faire plaisir euh, Vous voulez quoi comme musique Quelqu'un peut me proposer La pioche. Ah <laughs> appelle-moi la pioche. <laughs> ah, la pioche, elle a encore ses fans. Hein? Son fan club, il est encore euh, bien, bien dynamique ici. Donc, euh, la pioche. Et on se retrouve juste après pour euh, poursuivre cette grande aventure post-bac avec nos nouveaux bacheliers. Appelle-moi la pioche, appelle-moi la pioche, appelle-moi la pioche. Ne pas respecter ses parents avoir la diplôme chômeux. Avoir la richesse mise Nos moments ne font que pleurer. Les enfants sont vides dans le désert. La France ne fait que nous niquer. Les promesses sont que blabla. Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non. On en a marre. Merde alors, merde. Merde, merde, merde. Merde alors, merde. C'est pas de l'égoïsme, j'ai du merde, merde, merde, merde, non non, non, non, non, je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Pourquoi toujours nous Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi toujours nous Toujours nous, toujours nous. Pourquoi pas eux Pourquoi toujours nous on revient à la FADA. Aujourd'hui, on parle de l'aventure post-bac, vous l'avez compris. C'est clair pour certains, c'est encore flou pour d'autres, mais duk da wannan dai wa'annan albon muka tare da su suna suna cikin shirye-shiryen takardun su na saboda wannan mota ka se su hallu tunda yanzu an samu bakakin kuma sai an yi ma jami'a da za a ta yi karatu wani irin karatu za a yi shi yasa muka girka wannan fadan yau a Sipmen Nous sommes avec ben, Benuto, il est étudiant en sciences de gestion, Abdelkader Goubekoy, étudiant en génie civil, Rafia Jubo, nouvelle bachelière, Aminou Lawali, président de l'association des étudiants nigériens au Maroc, Abdul Salam Habibou, lui il a eu son bac D, Idriss Lawali de Karatou post-bac, Boulkassoum Mohamed, il a eu son bac D aussi, também tá da karshe parce qu'on a chiran yanzu wajen ka président kin association kin étudiant nigérien au Maroc Après wata shawara da zaka ba wannan sabon sabon yan jami'ar da za su zo cikin wannan rayuwar tasu qu'est-ce que tu peux leur dire y a-t-il des pièges à éviter à cette étape, euh, qu'est-ce que tu vas leur conseiller J'ai avisé parce que tun da suna ta magana le choix le choix avant da za su zaba su yi gobe abin da zaba su yi étudier can kasashen waje koko nan a partir du moment où ka san ka san abin da zaka choisir shine future kinka gaskiya ni na gani an yi étape babba parce que mun gani mutanen da suna tahiya can ba su san me suka ta yi ba sai mutum bayan shekara biyu ka ji ya ce ma ai shi so yake sake ai kuma ya yi asaran shekara biyu kenan amma dai ni abin da zan ciya na karshe shine aiki aiki ne in ma an yi wajen aiki ne kai mutane ka amince da abin da za a yi gobe ka amince da abin da za a zo wa mayan kasa na ji mista ce tana so ta yi kiran amfura sai travel ide haɗaɓa mata muka yi a ya qui gaskiya gani nake qui monte en yanzu elle est consciente et elle va vraiment favoriser le futur du pays to comment c'est que tu ka amince da investissement kin uwaye da appui kin uwaye da duka soutien kin da suka bada faut pas non plus les décevoir hein. bin qu'est-ce que tu vas conseiller à tes jeunes frères toi tu es déjà tu étudies à l'extérieur oui en Tunisie ouais tu étudies en Tunisie Qu'est-ce que tu vas leur conseiller Quels sont les pièges à éviter selon toi Bon, je dirais que l'étape, comme Amine nous l'a dit, vraiment l'orientation universitaire, c'est une étape très importante car c'est un choix de vie et de carrière qu'il ne faudrait pas rater pour pas avoir à changer de filière au bout de 2-3 ans. Donc après avoir réussi cette orientation aussi, pour la terre d'accueil, il va falloir se renseigner par rapport au mode de vie, à l'accueil et tout pour pouvoir s'installer et ne pas avoir de problèmes relativement aux démarches administratives et mhm. même par rapport aux inscriptions dans les différentes universités. Donc c'est vraiment un très gros travail qui doit commencer dès maintenant parce que ça ne s'arrête pas qu'à l'orientation universitaire, il faut aussi faire des investigations sur la terre d'accueil. C'est très important. OK. Super. Donc C'est bon. <coughs> OK toi kan on Olivier alors bonsoir les amis j'espère que vous allez bien Bonsoir. Super. Ben, moi, je m'appelle Olivier. Hein. Elle m'a déjà présenté. Donc, direct, coliqueur sur la tranquille. <laughs> Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Après les résultats des différents examens, il est constaté un nombre important de candidats échoués. Malheureusement, dans ces moments, on ne parle que des admis et on parle moins des échoués. Eh bien, l'échec au BPC ou au bac n'est pas une fatalité, et c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Lorsque nous tentons une expérience nouvelle ou un nouveau comportement, parfois nous réussissons et parfois nous échouons. C'est cela à la vie. Et comme on le dit souvent, sometimes you win, sometimes you lose. Eh la fille, elle est faite de haut et de, bas. Des études montrent que la plupart du temps, la première fois que l'on s'aventure à oser une nouvelle façon de faire ou d'agir, nous n'obtenons que l'échec, ou bien nous n'obtenons pas forcément le résultat désiré. C'est tout à fait normal, cela fait partie du processus d'apprentissage et d'amélioration continue. Mais pour plusieurs personnes, le fait d'échouer à quelque chose est un signe d'incompétence et d'humiliation, surtout dans nos sociétés. Ah dans un tel état d'esprit, par réaction, ces personnes cherchent alors à cacher leur échec par peur d'être jugées négativement ou d'être rejetées, et croyant que cette solution est la meilleure. Elles n'osent souvent plus prendre de risques ni essayer de faire de nouvelles choses, ce qui les maintient malheureusement à un niveau de compétence et de réussite limité. Eh bien, dans le cas des échecs scolaires échoués au bac ou au BPC, ne fait pas de vous un élève moins intelligent ou encore un élève bête. Non, non, non. Tout simplement parce que cela veut simplement dire que il vous faut un peu de temps avant d'avoir votre diplôme. Moi gars, j'ai échoué au BPC, mais je doute que je sois une personne moins intelligente. voilà, donc euh, je me demande ce soir combien de personnes ont été malmenées par les études et ensuite ont réussi à se faire une place dans la vie. Échouer n'est pas une fatalité et comme découragement n'est pas nigérien, on peut simplement se demander à présent comment faire pour se relever d'un échec. Donc demain, dans la chronique, pour ceux et celles qui nous écoutent et pour vous aussi, amis de la FADA, on va essayer de partager quelques réflexions pour permettre à ceux qui ont été refusés cette année de revenir beaucoup plus fort. Parce que quoi qu'il en soit, l'année prochaine, ça sera du remontada pour tout le monde. Ouais, remontada, la remontada totale. On leur souhaite plein, plein, plein de courage, euh, beaucoup de détermination parce qu'il en faut. Merci à toi, Olivier. Merci pour euh, tes chroniques, toujours aussi jolies, <laughs> les unes que les autres. Bon, c'est la fin de tout ça, la fin de la France et sein Nous étions avec nos nouveaux bacheliers, nous étions avec des étudiants, leurs euh, conseillers, Karatopos qui les appuient, qui les aident. Sunatema Gaskiyama suna ƙara kwatanta musu wannan sabuwar rayuwar da za su fara wannan sabon karatun da za su fara cikin jami'o'i cikin manya-manyan makarantu ya ne kamata su yi shi ya ne kamata kuma su yi shi da kyau kuma wannan alban mun gani dai wasu sun san inda za su kaɗawa wasu kuma suna ne suna cikin nazari kuma nazarin ya kamata a ce an yi shi da kyau kamar da wa'annan wanda muka gaito su ga muna ya kamata a ce an yi nazari da kyau bisa kan yanzu ka samu bak ina ne zaka tahiya wani irin karatu za ka yi mi yasa za ka yi wannan karatun ya za ka taimaka ma al'ummar ka vraiment le bac il faut en parler hein il paraît que si t'as pas le bac il y a, il y a des postes auxquels tu pourras pas postuler il y a ta candidature à la législature euh, suprême et même euh, genre député madan ta ma kan gana wannan baka iya yi baka iya tahiya assemblée baka iya zama député in baka da bac ça a su en wa'annan wanda turkin ta zama ta iri tun tsinci kansu cikin wani irin mugun hali muna musu fatan sauki bye bye tout